Mesdames, Messieurs les journalistes, nous vous remercions euh, d'avoir répondu à notre invitation et nous souhaitons que ce point de presse soit le point de départ euh, pour la guérison de la plaie que nous visons dans notre quartier. Je suis Ibrahim Ossou et je représente le collectif des riverains de la Nationale 2 habitant le quartier Grand Standing. Pourquoi ce point de presse Pourquoi Cette déclaration. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous vous avons convié à ce point de presse justement pour alerter l'ensemble de la commune de Thiès et l'ensemble pratiquement du Sénégal. Parce que nous vivons un calvaire depuis pratiquement plus d'une année. Nous vivons un calvaire parce que notre euh, quartier a vu l'implantation à toutes ces intersections de gares routières irrégulières. Avec tout ce que cela comporte de nuisances, nous sommes systématiquement envahis. Euh, nous sommes envahis dès 5 heures du matin. Nous sommes gênés en tant que fidèles dans nos dévotions. Nos bébés sont brutalement tirés de leur sommeil innocent. Des malades parmi nous sont au bord de la dépression. À cause de quoi À cause de cris, à cause de coups de klaxon, à cause de coups d'accélérateur, n'est-ce pas À cause de, de, sifflets, etc., etc. Alors dans ces conditions, nous avons estimé devoir rappeler à l'ordre les auteurs de ces faits. Ces auteurs ne sont autres que des transporteurs et des, ce qu'on appelle communément les coxeurs, les rabatteurs. Ils nous envahissent donc toute la journée et pratiquement une partie de la nuit. Nous avons estimé les, euh, les rappeler à l'ordre en leur disant que nous acceptons qu'ils ont le droit chercher à vivre. Mais leur droit à chercher les moyens de vivre n'est pas du tout un droit à nous empêcher, nous, de vivre chez nous notre vie. Mais leur réaction a été tellement insolente, tellement désagréable, tellement désobligeante que nous avons dû en saisir les autorités. Une à une, D'abord, monsieur le préfet du département, ensuite les maires, le procureur de la République, par écrit. Nous sommes d'ailleurs en train de penser à euh, lui demander une audience pour parler avec lui. Parce que, étant donné tous les déboires que nous avons évoqués, nous sommes au bout de nos peines. C'est pourquoi nous les avons saisis, ces autorités. Mais les résultats que nous avons eus de cette saisine euh, ne nous enchante pas, au contraire. Parce que dès que nous, avons saisi le, monsieur le préfet, effectivement, il y a eu un déploiement des forces de l'ordre. C'est vrai. Mais ces forces de l'ordre ont, ont pu tisser des relations telles que nous avons vu à travers leurs échanges une telle amitié, une telle complicité qui nous font croire qu'au fond, ces forces d'ordre ne sont là que pour euh, protéger nos protagonistes. Ce qui nous semble euh, inadmissible. Alors, devant cette situation, sachant que nous sommes dans un état de droit, nous savons parfaitement et nous sommes d'accord avec l'idée que notre sécurité est sous la, de la responsabilité des, autorités compétentes en matière de sécurité. Vous n'avez pas eu à vivre des cas d'insécurité, d'agression Mais si, nous avons vu. D'abord, un père de famille à qui on lance que fille mère de bourle, c'est déjà une agression. Mais en plus d'empoignade, en plus d'injures, en plus de colibé, n'est-ce pas On en est arrivé aux mains une fois, ou même deux. Et ça, nous savons que nous sommes dans un état de droit, mais ces choses-là, ces petites empoignades qu'on a l'air de négliger, peuvent évoluer en rix. Et ça, nous ne voudrions pas qu'il en soit ainsi. Mais encore une fois, comme je le disais, nous savons que notre sécurité, nous n'avons pas à l'assurer. parce qu'il y a des services compétents pour ça. Mais, coup, bugadé, et ce que nous avons décidé, c'est qu'en l'absence de, réponse adéquate de la part des autorités que nous avons séduit, nous, nous allons, nous, essayer de faire ce que nous pouvons faire pour, en tout cas, garder notre sécurité. Parce qu'il n'est pas question que nous admettions que des gens viennent d'ailleurs qui nous imposent une loi de façon irrégulière et qu'on en souffre. Qu'est-ce que vous envisagez de faire Nous envisageons de faire ce que nous envisageons de faire, Peut-être qu'il est, est prématuré de le faire, mais sachez que nous serons mobilisés et nous, nous ferons en sorte de n'être plus des victimes de cette situation. S'il y a des victimes, après ce, point de presse, il faudra les chercher ailleurs, pas parmi nous. Voilà très rapidement ce que euh, le collectif m'avait chargé de vous transmettre comme message.

bëgg nañu joytu bi yam tey modi suñu quartier bi koñ bo fa dugg tey ab garage la te garage baa ngi fii ci suñu wet ñu jàpp ne garage bi oto yi yëpp ak client yi dem Dakar ca garage ba lañu ñu war tase waaye koñ boo fi dem tey ab garage lañ fa ubbi te loolu li mu ñu andil ci ñun mooy suñu koñ suñu buntu kër yi mi ngi gën di salté ndaxte fu waay taxañe sa sa kii sa sa sa këyitu kile caaf wala yoy sanni fa bo nané sa kasu café sanni ah eh? bo nané sa mbousu dox sanni et cetera et cetera mais loolu sax xeyna du li gëna metti li gëna metti moy 5 cinq heures du matin nañ ñu mag ñi wara dem jakk ji ñi wara tok sen kër di wirde xalé yu tuti yi nga xam defuñu kenn dara di nelaw ñuy yéexu ci seen i nopp mag ñi xamatuñ li ñuy wird xale yi nelawatuñ dañuy tiit am na ci jigéen ñu feebar ñoo xam ne fi mu ne ñi ngi ci booru de ñi ngi bëgg a déprimé déprimé dañu bëgg dépression dañuy bëgg a dof ndax bruit bi ñu dëkkal ci seen nopp loolu nag ñu ni dafa doy parce que biñ ko waxee ak ñi ñu ko war a waxal mooy benn mooy ñi nga xam ne ñooy def loolu mooy chauffeur yiy jële fii ay client ak coxeur yi jéem nañoo waxtaan ak ñoom waaye lañu wax rus naa ko nettali nañ koy waxee itam rus naa ko nettali ba tax na ñu jóge ca dem ci autorités yi dem nañ ci préfet dem nañ ci commissaire dem nañ ci bërk démb lañ jóge ci gouverneur bind nañu procureur de la république parce que lii raam ci ñag bi la jëm te suñu ñag du ñu bàyyi ñu kii ko ñu jéggi ko donc li ñu décidé bu fekkee ne gis nañu autorités yi nga xam ni ñoom la fi état bi teg ne ñoo ñu war a aar bu fekkee ni nañu ñu tontoo may indi fi ay alkaati yoo xam ne ñun jàpp nañ ni daanaka ñoom dañuy dimbale ñi nga xam ne doon dama wax ni kon li ci des mooy ñu ñàkk pexe ñàkk pexe nag pexe la ñu wutal suñ bopp ay pexe sa naako sa naatangoo bi laaj na ma lan la nar ma ne ko loolu tel na teel naa wax waaye ñun ay mag yi jëmm la suñuy xale ñi ngi fi am nañu lu bëgg def ba ñu ko ndaxte xam nañu kaaraange am na ku ko yor waaye nag ku bëgg a dee wéqu li ñu décide nag li ñu décide nag mooy li ñu fas yéene mooy bu ñu jógee fii tey dootuñu doon victime bu kenn waaw daañu taxaw taxawaay bu dëgër boo xam ne gii ah lu ci am nag ñu xam ne mënul ñàkk rek lu mënul ñàkk nag bu ñu jotee itam ñu xam ne mënul ñàkk rek ñu ñu sant yàlla. boo waaw wax naa loolu bind nañ procureur d'ailleurs dinañ ko ñaan a gis sax dañuy ñaan a taseeg moom wax ak moom parce que li ñuy yaakaar ni foofu la jëm dañu yaakaar ne dana mujj ci yoon ñaanuñu ko yàlla ñaanuñu ko yàlla benn yoon waaye nag ñàkk ñaan mbir du tax mu ñëw ci yow te ñun gis nañu ni loolu mu ngi jëm si ci ñun du daañ nañ ci ay violence physique violence yi ñu dund sax yi ñu jëk dund sax du violence du du violence physique parce que magum jëm tok sa buntu kër nit di la fa kor, nga wax ko mën la fi mbedd bur la téyel sa dom rouler à 80 à l'heure ci bir mbedd nga wax ko mën ma téyel sa dom lool rek agression la mais barki demb dañ ñew taxaw fi ñuy julli fi ci jakk ñuy saw ñu genn gis ben auto garé fofu ñu ne kenn du fi yëpp kenn du fi yëpp

mu wara jaar ci sen kaw sen president ci bopam juk diko artu mu bocci paka ne ko boo ma jegee ma nangam tan sa ney heureusement parce que lolu boko waxe gor ci néew de engagé lu mu am jël mais ben xalé bu fété won ci ginaaw defe naa entraîneur bi mo moo dóor paké bi wad pour vous dire que dafa am fuñu ag motax ñu wax li ñu def li ñu wax di nara jëfé jëfe ni ñu jëfe